madame Dikoudiop, du mouvement conscience citoyenne Gëm de Maodo Depuis un certain temps, le landerneau politique sénégalais a illustré la naissance d'un nouveau mouvement Gëm Le promoteur de cette initiative est M. Bougane PDG des médias. L'intérêt que revêt notre sortie est lié au concept de Gëm Au demeurant, signalons que M. Bougane en tant que journaliste, homme d'affaires, patron de presse, fait la fierté de tout Sénégalais, un but de réussite et d'ambition. Mais sous un autre angle, l'usurpation du nom de Gumsabop, qui est la marque du mouvement dirigé par M. Maudo Malingbay depuis février 2018, est inquiétant. À plus d'un titre, nul n'ignore que le label de Gumsabop est la marque de M. Maudo Malingbay dans la nomenclature des corporations politiques au Sénégal. Par conséquent, la dénomination politique du mouvement de Mouché Bougan Gaydani n'est rien d'autre que du plagiat. Mais l'originalité, faisant souvent la qualité, la quintessence de Gumsobop est jamais, jamais collée à la réputation de Mouché Maudo et ses amis de conscience citoyenne. Faisant fi des dogmes et des a priori à la, cacophonie des théories, aux rationalisations médisantes, nous, femmes de, de, de Gumsabop, condamnons fermement cette usurpation de Gumsabop d'une légèreté. Cette tricherie faite à dessein ne saurait relever que la mauvaise foi politique. Cultivons l'esprit de créativité et d'originalité. Mais tout compte fait, gëm est de nous et restera à nous. Advienne que pourra. Nous, femmes de gëm profitons de cette occasion pour réaffirmer solennellement notre ferme et total engagement à œuvrer sans relâche pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour en février 2019. Pour l'atteinte de cet objectif, notre loyauté et notre dévouement derrière notre leader Maudo Malik Mbaye iront crescendo nous sommes gëm sa il si y a lieu d'attaquer en justice monsieur Bougane ngay Dani, nous l'attaquerons. Le Gamsabop sa a son récépissé depuis février 2008 voilà dix ans jour pour jour que nous, avons créé le nom de gëm sa bopp. tey man la Ndickou job di ñun di kenn ci jigéenu Maodo Malick Mbaye waaw ndax ndaxte dafa tollu ñi depuis ay ay ay manam fi ay de ci gannaaw dañu dégg benn label bu kii bu juddu mouvement bu mais il s'est trouvé que mouvement boobu bi mu juddoo euh, dafa tànn turu gëm sa bopp te gëm sa ni ku ne xam nga ko ak Maodo depuis février 2008 la ko créé woon concept boo xam bu mu gëm la gëmloo ñu ko bu ñu toogee dégg monsieur Bougane di directeur des médias utiliser gëm sa bopp ñun en tant que femme dañuy jëw jóg dénoncer ko parce que ñun gëm sa bopp ñun ñoo ko moom te ñoo koy yàgg di moom waaw monsieur Bougane na du suñ noonu parce que en tant que journaliste defe naa ne kuñ nawloo la en tant que homme d'affaires tamit kuñ naw la te gis nañu li muy liggéey ci média ak ni muy créer des emplois mais dafa am loo xam ni nit ki moo ko moom te nit ki li mu moom bakoog moom loolu moom moo tax ñu jóg ñëpp xam nañ ni Maodo Malick mbay moo juddulu gëm sa bopp te bi mu koy juddulu xaarul ba dara di dara ba mu koy juddulu gëm boppam à tant que jeune moo tax mu taxaw créer gëm sa bopp woo ñu ñun ñu ànd ak moom ci gëm sa bopp kon suñu toogee tey suñu tur bii nga xam ni mi ngi jéggi frontière mën naa ni fi mu à niveau international fi mu ne ñu ni fa parce que on est partout représenté mm-hmm. kon suñu toogee am ku jóg utiliser concept muy gëm sa bopp bi ñun en tant que femme dañuy taxaw nous ñun une initiative en tant que femme parce que Maodo il n'est même pas là Il dafa nekkul sax Sénégal mais nous avons jugé xool ba mu ko jëlee tur bi ba sommes ñu nous à chaque fois nous ak nous sa tant que femme ñu taxaw pour dénoncer ça nous lu lu ci tamit ñu ngi taxaw solennellement tay tamit di réitérer suñu engagement derrière notre leader et derrière le président Macky Sall pour sa réaction en 2019 Inshallah. té dès le premier tour bu soobee yalla lañ ko fas fal fi ak caisse Merci de votre attention. Fait à Caisse le 23 mars 2018, la coordination des femmes du mouvement Conscience de Gumson. Je vous remercie.